moom anam sax ànd ak kooba oto yi ànd ak oto yi waa Samba bépp ñun ñëpp. Makan Makan Makan. mana yang di sini pak? Bo, sini mana yang mana? Hmm? Yang pak lagi? Thank

Bon, je remercier aussi mon mentor, le président Ousmane Noël Dien, depuis Kaolak. Il ne m'a jamais laissé. Il a toujours été à mes côtés. Vraiment, l'ILIP maintenant est Guinawi à la Les Noëlistes sont là. Nous sommes tous avec lui, vraiment. C'est un homme extraordinaire, un homme, un homme de valeur, un homme social, vraiment. Je suis un journaliste aussi, parce que vous avez fait tout. top ni, je ñooñu oma seen fay ci aduna yeen ñep ma ngi leen ñaanal ci barki alcorane yalla defal leen jamm mais tay ban contentement nga am sa xarit yeeg sa xarit ki nga xamne ñom nga yaroon dool ñep nek sa ginaaw tay ban contentement. Makan ñu gis mobilisation Makan nit ëpp na ma xaalis loolu wote mënul am 10 personnes yi man ni kon suma yalla may damay sant dama kay santé yalla di leen ko santé ñom tamit di leen ñaanal ñom ñep ku ci melni ni la frère Goro Wali suma limay damay joom mais ma ngi bëgg ñep di contente ci ñep vraiment di leen ñaanal encore une fois de plus di leen ñaanal yow tamit

parce que soirée bi reyna lol bu ko neexoon mu jël ay politiciens wala ñeneen ño xamni ñoma gëna aju wala ñoma ëpp dara ja mais defuko daf ma gis doyloo ma fonk ma teg ma fu mu teggul kenn ne daf may sargal te man dama di doomu gor am na si loo xam ne ko nit lebalé rek day dal di nuru leneen ma ngi koy ñaanal fi mu bëgg yegg ci art bi yàlla sam ko katanal ko ba mu yegg fa ñu ñaan yàlla soirée bi ñu jiwé ko ci jamu mu jeex ci jamu ba kenn ku nekk ñibi ci jamu ci barke alcorane mais lan lañuy ñuy ci mbay wali

ci barke alxuraan sama yaay ma maa soxna jaara mention spéciale à lui sama am di jàmm yi encore ñi ma wër nii du ma taaye di leen sant di leen gërëm yàlla na ànd bi yàgg yàlla nañu seytaane Cheikh Lo sama rakk yi sama xarit yëpp kontaan si ñoom vraiment. lan ngay wax waa marché Colobane te ku xam Mbaye Waly xam ne marché Colobane la sooxe ko lan ngay wax waa marché Colobane. bon ñooñu desee luñ ma dara ci àdduna parce que je suis jeune nekk xale bu ndaw yéex fa ñëw mais ginnaaw bi ma sante yàlla ba pare je peux dire te ginnaw yalla mën naa ñaanu wajuri la ak nimbalu suñu borom ak ñom ñi nga xamne ñom la fa fekk ma ñew ñu tété ma tek ma ci cote dima ma encourager di soutenir dima conseiller kon grand frère yi nekk Colobane yëpp oma seen fay mais surtout à mon frère Lamine Boury depuis Colobane le grand frère Ablaye Samb le grand frère Dame Fall vraiment ñooñu oma seen fay ci aduna sama partenaire yëpp di bëgg ñëpp di kontaan si ñëpp vraiment. waaw deug la ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar. bon liñ bëggoon am nañ ko bis bi réussir Ousmane Noël lii ngeen waxan bi ma ñëwee Kaolack nu toog ma nag yoon yu waxtaan bon li ngeen waxoon li leen waxoon lépp lii la woon lii leen ciy jublu woon mbaaye ngi nii nag pare na nag pour nekk sa ginnaaw yaa may dégg projet yi ñu teg bari na yow nag yaa nu mën a dooleel nu dem waaw mbay kon nous vivons Ousmane Noël waaw ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Noël Ousmane Noël Ousmane Noël Ousmane Noël Ousmane Noël grand yaa ma ko waxoon nag bi ma toogee yaa ni ma góor day am fit góor day ñime da ngeen di xuus jàll comme yaa ma ko waxoon nag waaw kon ñun ñu ci tànk yi nag fas yéene koo def nag comme ni nga ko waxee woon waaw wasalaam maa ngi nuyu ñëpp nag di leen ziar. le jeune

content na ci bu baax aussi di remercier public bi te di wax né sans public bi nous on est rien donc nit ñi nit so gisé ñu naan nit daanaka ñu nek ci ginaaw moo tax te vraiment mbay dafa nek ko xamné dafa baax parce que baaxaayam man suma togué di fi war du ma fi joggé mu def ci lo xamné manam ci sama relation ak mom mu jouer rôle bo xamné dafa intéressant tax ma japp ko xam nga pareil pour jàppale aussi dans tous les côtés Il faut s'y ànd ay projet même si c'est au-delà de Dakar Pareil pour jàppale Next, nekk Ousmane Noël Dieng projet Inch'Allah. Messieurs, frères et sœurs, j'aimerais avant tout d'abord attirer votre attention sur l'importance que j'attache à cette partie de mon discours, réservée aux remerciements. En effet, ces derniers vont d'emblée à partir de mon discours réservé aux remerciements. En effet, ces derniers vont d'emblée à l'endroit du bon Dieu qui m'a donné aujourd'hui la force physique et mentale de tenir en face de vous et de vous adresser ces quelques mots. Des remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à la personne qui est la raison de mon existence sur Terre. La personne sans qui je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Et par la grâce de qui je suis aujourd'hui celui que je suis, la brave femme qui a bravé tous les obstacles pour donner naissance et former un homme digne, valeureux et courageux, qui est devenu vous. Aujourd'hui, permettez-moi de nommer ma très chère maman adorée son Permettez-moi également, en marge de cette journée riche en émotion de lui adresser ces quelques mots. Maman, maman, Maman, je t'ai appelé trois fois. Et ceci pour dire à quel point j'aimerais aujourd'hui que tu, me, que tu me réponds. Oui, mon fils. Oui, maman. J'aimerais aujourd'hui que tu sois là, présente, à mes côtés. Non seulement pour voir et savoir que les valeurs, les bons comportements envers les autres, l'amour du prochain, ainsi que toutes les vertus que tu m'as enseignées dès ma tendre enfance ont fini par porter leurs fruits, mais aussi reconnaître avec moi à travers cette journée que l'homme n'est rien sans l'homme. J'ai compris sans difficulté pourquoi tu me disais ceci. Lorsque les personnes sont en quête de la richesse, soit en quête des personnes. Maman, j'aimerais également que tu sois là pour voir de tes yeux cette marée de foule que la langue est infirme. À décrire ces personnes de différentes catégories qui sont venus massivement témoigner et exprimer leur soutien, leur sympathie, leur engagement et leur dévouement d'accompagnement. Ton fils, dans toutes les étapes de sa vie, et devant toute cette effervescence, devant toute cette folklore, et devant toute cette manifestation de soutien, il n'y a que des questions qui m'ont touré l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait pour ces personnes pour avoir mérité autant de sympathie de leur part Comment et quoi faire pour pouvoir un jour rembourser et payer cette dette Maman, je te prends pour témoin et je prends Dieu pour témoin que je ne mérite pas ces personnes. Ainsi donc, permets-moi, après t'avoir remercié chaleureusement, de les remercier spécialement. Ainsi, mon discours serait dépourvu de toute éloquence si jamais j'ai manqué à remercier un homme dont l'engagement patriotique et l'élan républicain sont à l'origine de cette journée d'aujourd'hui. Permettez-moi de nommer un homme social, un frère, un ami, un allié, un partenaire dont la personnalité et l'engagement à côté de la jeunesse sénégalaise et celle de Kaolokoise. En particulier, ne sont plus à présenter dans ce pays. Je veux nommer un digne fils de Kaolak, le président Ousmane Noël Dian. Chers amis, Parler des qualités de cet homme ne serait que des déjà dits. Parler de son engagement social ne serait que des répétitions. Cependant, j'aimerais en quelques mots revenir sur la nature et les circonstances de notre relation. De toute ma vie, j'ai voulu cheminer avec un homme dont l'engagement et le dévouement sont au cœur de toutes ses œuvres. Ainsi, mes voeux furent exaucés quand j'ai fait connaissance de cet homme. Aujourd'hui, l'occasion ne pourrait jamais être meilleure pour exprimer toute ma gratitude, tout mon soutien, toute ma compassion et tous mes souhaits à toi-même, frère Ousmane Noël Jean. Je ne peux cependant par les mots exprimer ces sentiments de joie, de fierté et d'entière satisfaction que j'éprouve en parlant de lui. Chers amis, chers frères, chères sœurs, ce jour est une occasion pour moi de témoigner toute ma gratitude à l'endroit de mon frère le président Ousmane Noël jean Mais également une occasion pour moi de vous dire que cette journée marque symboliquement et historiquement le début d'une union, le début d'un partenaire sincère, mais aussi le début d'un travail d'ensemble pour combattre sans relâche pour l'intérêt et les causes de la jeunesse sénégalaise. Ainsi, je lance un appel solennel à cette dernière en disant que l'heure du développement, du développement et de l'évolution à sonné avec le président Ousmane Noël mon mentor. Sur, sur ce, je vous exhorte à soutenir un frère, un compatriote, dont l'intention de vouloir bien faire est concrétisée et matérialisée par les actes au vu et au su de toute la population sénégalaise. Des témoignages recueillis de part et d'autre par ses proches, parents, amis, voisins, démontrent suffisamment sa volonté et son engagement de servir dignement sa chère patrie. Ainsi donc, une telle volonté doit être exploitée par une jeunesse consciente et imbue de valeurs patriotiques et républicaines que nous sommes. Pour finir, à Osman Noël je dirais, chers frères, je ne lisonnerai sur aucun moyen et je ne ménagerai aucun effort dans la mesure de mes capacités, de ma volonté et de ma force physique pour t'accompagner dans cette noble mission. Alors je ne pourrai terminer sans t'adresser mes sincères cerveaux et mes plus nobles prières pour que le bon Dieu t'assiste et te soutienne dans cette tâche qu'il t'a sans doute confiée. Je ne pourrai terminer sans remercier spécialement certaines personnes dont les noms ne peuvent pas figurer dans cette dernière partie de mon discours. Je remercie d'abord mon frère de sang, mon frère de cœur, Abdoulaye Samb depuis Picolaban. Permettez-moi aussi de vous dire que cet homme est un frère de surcroît sanguinaire, certes. Mais aujourd'hui, je, ne vais parler de lui en tant que frère, mais en tant qu'un homme de bonne foi. Frère, je te dis merci de m'avoir accompagné et épaulé durant les moments difficiles, mais aussi merci de m'avoir aujourd'hui permis de garder la tête haute devant mes semblables. Je remercie également mon ami, mon frère, Mamour VIP, l'homme d'un cœur de diamant, frérot. Frère, merci beaucoup. J'ai toujours senti ton soutien indéfectible à mes côtés. Je remercie mes amis d'enfance, dont une bonne partie est là aujourd'hui, pour me soutenir. Pino, mon ami d'enfance depuis Koloban, Ndiaye l'homme de Sikambao, Ibrahim, le jeune transitaire Frombourg, Madjigen, la charmante et sa mafia depuis Tengue, Demba de même que Aliouka, mon frère de longue date, Asmalik depuis Koloban, l'ergi et Albury les champions de Rufisque Wa Colobane Wa Rufisque Mamor VIP Mor VIP c'est mon frère de valeur Pape mon frère Awa Diop la jumelle Boubacar Mbaye Babacar depuis Sikap Mbaou. depuis Sikap Lamine Bouri depuis Koloban, Pamdiara, l'enfant chéri de Rufisque Pape mon ami et frère et la liste est loin d'être exhaustive à vous tous. Ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui le voulaient mais ne l'ont pas pu. Je vous dis tous un grand merci. Votre présence m'a réconforté et m'a donné une force énergétique. Votre mobilisation est une source de motivation pour moi. Et je me garderai autant que je pourrai pour nous, pour ne pas vous décevoir. Vous m'avez tout rendu fort en ce jour aussi spécial. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. J'ai compris votre message à travers vos actes et votre manifestation de soutien indéfectible envers moi. J'ai compris également que vous voulez me dire ceci. On a un grand rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Je vous remercie, mes chers compagnons. Comme donc euh, ça c'est une mobilisation qui parle d'elle-même. donc on n'a pas besoin même voir, parce que c'est une mobilisation donc de remercier Mbaye Walerek nit pour manifester soutien ci moom dafa fekk que nit ñi dañoo dañ koo bëgg def ko seen xol donc Nous tamit mu fekk ce moom moo que nous donc Nous ki fait. rek donc vous avez vu aujourd'hui cette mobilisation de taille donc toute euh, la jeunesse est venue soutenir Mbaye donc cela montre à suffisant que Mbaye a été toujours à côté euh, de la population donc nous sommes vraiment fiers. Voilà, donc euh, nous sommes vraiment fiers de cette mobilisation et aussi nous sommes très contents de notre frère euh, Mbaywali. Euh, voilà, donc si vous avez vu cette mobilisation, aujourd'hui vous allez comprendre que cette mobilisation n'est rien d'autre qu'une expression probante des relations que Mbaywali entretient avec ses semblables. Donc nous sommes vraiment contents et c'est une occasion pour nous de le remercier et de le remercier et de lui dire que nous sommes avec, avec lui. De lui dire que nous sommes avec lui pour aujourd'hui et pour demain. Donc euh, nous sommes vraiment contents de cette mobilisation de, euh, différentes catégories, de, différentes, euh, de différents groupes de personnes. Donc aujourd'hui, tout le monde, tout le monde sait que Maïwali, c'est une personne, des personnes. Donc tout ce qu'on peut dire de cette affaire, la conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'un Bayouali, c'est une personne des personnes. Donc c'est une personne aimée des gens, c'est une personne aimée de tout le monde. Et on prend l'occasion pour remercier le président Ousmane Noël Dien, dont l'engagement et l'élan patriotique n'est plus à discuter dans ce pays. Donc vraiment, nous sommes aujourd'hui contents Lorsque nous avons vu cette mobilisation, la question que nous nous sommes posées, c'est comment Wali, Mbaye Wali a fait pour avoir cette jeunesse Comment il a fait pour mériter cette jeunesse Mais cela nous a, euh, cela nous a appris qu'il n'a plus droit à l'erreur. Et on doit travailler pour avancer et on doit travailler pour aller, aller de l'avant. Maintenant, on a un message fort à lancer à, le président Ousmane Noël. Donc, on a vu cette mobilisation qui est derrière nous aujourd'hui. Maintenant, cela marque euh, un début symbolique et historique d'un partenariat avec Bayouali. Donc toute la jeunesse est derrière Bayouali. Les Noëlistes aujourd'hui sont là. Donc nous sommes prêts à accompagner euh, euh, comment le président Ousmane Noël Dian dans sa mission noble qu'il est en train de mener. Merci beaucoup. Mbaïwali moom sama góor la wax dëgg yàlla sama Je la sama lonko la borom baax la maam moom du alal. maam moom ñoo bokk benn koñ damay dégg lu ne ndax moom moom moom maa ko bëggal sama bopp mais tamit nag xam nga rek mënu ma waxtaan si mbooloo. moo gis si discours bi Mbaye Waly def. ah discours bi mu def ma macha allah rafet na moom ba pare maa ngi bëggee gars yëpp ñu ñëpp benn leen ñoom ñëpp ay borom baax lañ ku nekk nag yaa xam ne sa xol yaa na la ko yàlla def waaw. gis ngeen ko mbokk yi ñu ngi woon fii ci xewal gu Pikine muy xale boo xam ne yaakaar naa ne tufaar ba kàlla macha allah loxoom set na mën naa bokk ak i mag ndax olof Ndiaye day faral di wax naan xale bu loxoom setee day mën a bokk ki i mag gis ngeen nag ki nekk ci ginnaawam muy Ousmane Nawal Dieng nga xam ne du ànd ak koo xam te ni ku yaafuus na du ànd ak xale bu gëmul boppam du ànd ak xale bu amul personnalité kii mu àndal di mbay waali waxuma la de Sénégal la ànd ak moom àdduna ànd ak moom si Kap Mbaawa ànd ak moom marché Colobane ànd ak moom ndax dajale jeunesse bu toll nii yombul kat laa bu toll nii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 Adresse email gmail.com L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar